le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passées de 15 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette euh, nouvelle édition du Forum de la presse. Comme chaque vendredi, nous recevons des confrères pour discuter des faits ayant dominé l'actualité de la semaine. Ce soir, nous allons revenir sur les grèves répétitives des médecins spécialistes, les agents des collectivités territoriales, et les enseignants-chercheurs de Zander qui sont tous en grève cette semaine, d'autres pour cinq jours depuis lundi. Dans le domaine de l'éducation, il sera question des avantages et inconvénients de la suspension de la traditionnelle composition pour les élèves du secondaire, décision prise par le ministère des enseignements secondaires. Nous parlerons également de la vague des interpellations de hauts responsables qui a eu lieu ces derniers jours et qui, pour la plupart, tourne autour des détournements de deniers publics. Enfin, nous analyserons ensemble l'opportunité de la force mixte de sécurisation du Liptako Gourma annoncée mardi dernier par les chefs de l'État des pays membres de l'autorité du Liptako Gourma. Avec nous au studio Garé Amadou du journal L'événement. Bonsoir Garé. bonsoir. Euh, merci d'être euh, venu. Murtala Mamadou, journaliste euh, au journal La Griffe. Bonsoir Murtala. merci d'être avec nous. Et enfin, Abba Gana Lawal, directeur de publication du journal L'Actualité. Bonsoir Abba. Bonsoir. Merci euh, à tous d'avoir honoré notre invitation. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme du studio Kalangou. Nous allons débuter ce forum par cette décision du ministère des Enseignements secondaires qui suspend à la veille de la rentrée du deuxième trimestre la composition du premier trimestre. À lieu et place, les évaluations se feront à travers le système du contrôle continu. Je vous propose d'abord de suivre le secrétaire général du ministère, le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, Kassoum Issa, qui explique les raisons de cette mesure temporaire et le micro de Moussa Hassan à la veille de la rentrée des congés du premier trimestre. Le ministre des enseignements secondaires a bien reçu avec euh, nous autres tous les directeurs régionaux. Ça nous a permis de constater que notamment la région de Niamey par exemple est une région qui a connu énormément de perturbations. Maintenant la suggestion que les différents techniciens, donc les directeurs régionaux, nous ont fait, ils peuvent se passer de l'évaluation qu'ils devraient faire à partir du premier semestre. Mais les devoirs sont continus et nous allons évaluer tout ce qui va être fait et après ils vont se rattraper avec donc le second semestre pour pouvoir faire les évaluations proprement dites. Il y aura un impact positif, c'est surtout de gagner du temps. Parce que vous savez, notre système, il souffre surtout de manque de temps, de mauvaise gestion du temps scolaire. Tantôt, c'est les enfants qui ne sont pas disponibles, tantôt, c'est les professeurs qui ne sont pas disponibles. Et maintenant, nous assistons à un troc. On demande aux parents de payer de l'argent pour faire des cours de rattrapage. Ça, le ministère condamne cet état de fait. Il n'y a que la meilleure exécution de temps scolaire qui permet d'asseoir des bases de connaissances solides. Vous venez là d'écouter le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, Kassoum Issa. Alors nous allons débuter avec vous, Garé Amadou, du journal L'événement. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette décision Est-ce là une décision sage ou pas oui, je pense que c'est une décision extrêmement sage parce que euh, les explications qui ont été données par euh, le secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire sont des explications assez convaincantes. Vous savez que euh, le cursus scolaire au Niger est totalement perturbé par des grèves des enseignants, des grèves au niveau des élèves, des structures étudiantines et collégiennes, etc., etc. Ce qui ne permet pas souvent de finir le programme. Parce que si vous, évaluez à la fin de l'année le, pourcentage du programme qui a été, qui a été achevé, vraiment c'est un pourcentage assez, qui n'atteint même pas parfois la moitié. Je pense que le système continu va permettre peut-être de finir le programme et de faire peut-être deux examens. Maintenant, les élèves seront évalués effectivement à partir de, des épreuves euh, qui, qui, seront faites. Par exemple, je vais, je vais dire par là les devoirs, etc., etc. Donc, je pense que c'est un système assez, assez, assez intelligent, n'est-ce pas Mais qui n'est que temporaire. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait que qu'on ait un système éducatif normal bien sûr, avec moins de grève, parce que la grève aussi, c'est l'expression parfois des mécontentements, parfois de certains désirs d'amélioration des conditions de vie, aussi bien des enseignants que des, que des scolaires. Donc, les, les grèves sont tout à fait normales. Mais euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait moins de grèves, et là, ça va permettre d'avoir des examens comme ils ont été prévus dans le cadre du système éducatif nigérien, des examens du premier trimestre, du deuxième trimestre, etc., etc., et puis les vacances. Mais est-ce que vous pensez que cette décision est-elle exempte de toute euh, insuffisance, euh, d'inconvénient non, mais écoutez, il n'y a pas de décision humaine qui ne soit euh, en tout cas empreinte de certaines insuffisances. Il n'y a pas de décision parfaite, il n'y a pas d'œuvre parfaite de la part de l'homme l'homme prend des décisions pour essayer d'améliorer certaines situations. Si le ministère de l'enseignement secondaire s'est résolu à prendre cette décision, c'est parce que le ministère de l'enseignement secondaire, qui est au fait des choses, est arrivé à un constat où, euh, au constat selon lequel, à l'état actuel des choses, faire un examen serait tout simplement inutile et ça ne permettra pas d'améliorer le niveau des élèves parce que le programme n'a pas été fait euh, euh, selon les, en tout cas le programme qu'il fallait pour faire les examens. Donc ils ont évalué, ils ont vu que on n'a pas fait assez de assez de cours, ils ont préféré, je pense que ils ont pris une décision. Bon, moi j'aurais voulu peut-être que bon, le ministère pense sa décision, mais euh, peut-être que on aurait dû interroger les, les enseignants pour savoir ce qu'ils en pensent, mais on verra ce qui va se passer après. Abagana Lawal du journal L'actualité, c'est votre avis cette décision de, suspendre les compositions à la place d'évaluation de, continue je pense qu'il ne faut pas noyer cette préoccupation dans des généralités. Je, trouve que c'est une décision qui reflète euh, un certain malaise de ce secteur qui est l'éducation. Et donc c'est une fuite en avant parce que on ne peut pas faire du colmatage, du raccommodage dans un système euh, est dans l'école et prétendre qu'on va atteindre des résultats. Il faut s'attaquer au fond du problème. Si il y a des grèves tout azimutes, j'entends le secrétaire général dire que tantôt c'est les élèves, tantôt c'est les enseignants, et donc il faut s'attaquer véritablement au, au problème fondamental. Parce que dans notre système à nous, on a généralement observé des grèves lorsqu'il n'y a pas de salaire par exemple, ou des pécules pour les enseignants, ou si c'est les élèves, généralement, ce sont des revendications liées à la bourse ou bien à la construction de classes. Et donc, quand on clochardise les enseignants au point où on fait de paiement de salaire une revendication principale, je pense que c'est irresponsable. Et donc, c'est une fuite en avant, c'est une décision totalement déniée de, pertinence à mon point, de mon point de vue. Et donc, euh, on ne saurait euh, gérer l'école dans une euh, sorte de colmatage. Aujourd'hui, on change. Mais est-ce que, est-ce que cette décision n'arrange pas les élèves qui n'ont pas acquis, euh, euh, qui n'ont pas pu bénéficier du, programme comme il le faut Mais déjà, il faut dire que l'école, déjà, ça fait longtemps que le secteur, il est dans une putréfaction avancée. Et donc, je ne pense pas que c'est qu'avec quelques évaluations, cette décisions qu'ils disent, qu'ils appellent temporaire, on va sortir euh, l'école de ce problème. Je pense qu'il y a une fuite en avant, puisque dans tous les cas, ceux qui en pâtissent, hein, c'est généralement les enfants du public. Et vous savez, que la plupart de ces commis de l'État, ils n'ont pas leur enfant dans le public. C'est regrettable et c'est un aveu chèque. c'est une fuite en avant. Mortala Mamadou, du journal La Griffe, c'est votre avis Vous partagez les avis des uns des autres Bien. Euh, je voudrais d'abord euh, qu'il me soit permis de dire à la suite du secrétaire général du ministère des enseignements secondaires qu'il s'agit là d'une décision temporaire. Alors, euh, ce caractère de temporaire euh, va nous place dans une situation où, ok, on se dit, euh, on, a, on est face à une situation qui est là, à laquelle on cherche peut-être des solutions, mais de l'immédiat, il faut faire quelque chose. Alors, elle a été adoptée dans ce sens. je ne suis pas de ceux qui, qui pensent que c'est une décision qui, qui, qui va peut-être résoudre le problème. Même de l'immédiat, elle ne résout pas pas le problème. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu une exécution du programme scolaire euh, qui permette à ce qu'il y ait euh, une évaluation digne de ce nom. Donc, euh, il y a un retard qui a été accusé dans l'exécution du programme scolaire. Donc, un véritable problème qui est là. Mais le fait de sursoir à des évaluations, je ne pense pas que ça résolve le problème. Sursoir à ces évaluations pour mettre quoi à la face, à la place Peut-être si c'était peut-être pour profiter de la semaine qui aurait dû être consacrée à ces compositions, pour procéder à des séances de rattrapage de cours pour permettre de, de, combler un peu le gap, oui. Mais pour faire des devoirs euh, en continu à la place, ça veut dire qu'on va encore prendre cette semaine. Et puis à la fin du semestre, on va se retrouver avec toujours un taux d'exécution, avec le retard qui a déjà été accusé et qui risque encore de s'aggraver avec euh, euh, les mouvements qui risquent de venir parce que les véritables problèmes de fond, parce que Abba ah a parlé de problèmes de fond, de problèmes fondamentaux, et je pense qu'il y a plusieurs problèmes fondamentaux sur cette question. Euh, malheureusement, ils sont là, ces problèmes, ils ne sont pas résolus, donc il faut s'attendre à d'autres perturbations qui vont engendrer encore d'autres retards de l'exécution des programmes. Entre autres problèmes oui, entre autres problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, euh, en plus des revendications traditionnelles qu'on connaît sur au niveau des, des, différentes structures euh, des élèves et des étudiantines, aujourd'hui, on est dans une situation où euh, un nombre assez important de du, personnel enseignant, qui sont les contractuels, sont dans une situation où ils sont obligés d'aller en grève pour pouvoir être mis dans leurs droits, le paiement de leur pécule. Et on se retrouve avec euh, plus plusieurs mois parfois dans selon les régions d'arriérés de, euh, de, de, salaire, de pécule de, ces enseignants. Ce qui fait que euh, on a véritablement un problème qui ne permet pas, ou bien plusieurs problèmes qui mis ensemble euh, ne, ne, sauront être on, ne saurait même pas espérer que la brèche soit colmatée par une telle décision, tellement l'entaille est profonde. Alors, sur un tout autre plan, le mouvement de grève continue. Il y a ces mouvements de grève qui qui secoue donc la mairie, notamment la ville de Niamey. Les médecins spécialistes également sont en grève de cinq jours depuis le lundi. Les enseignants-chercheurs également de l'université de Zender pour des raisons d'arriérés. Pour ce qui est de la ville de Niamey, les agents des municipalités ont entamé une grève de cinq jours cette semaine pour le non-paiement des salaires de sept mois. Mercredi dernier, le Premier ministre Brigitte Raffini a donc rencontré les protagonistes, notamment le maire central et les responsables syndicaux des travailleurs des l'objectif étant de trouver une issue euh, heureuse à la situation. Nous allons suivre ensemble la substance de cette rencontre avec euh, Ayouba Haruna qui est coordinateur des sections saint de la ville de Niamey. Il a demandé au maire pourquoi les salaires là ne sont pas payés. Il avait dit au PM que depuis longtemps, les salaires là étaient payés sur la base des fonds rétrocédés que nous récupérons au niveau du Trésor national et que maintenant ces fonds là se font rares au niveau du Trésor. Donc depuis lors, on a commencé à avoir des arrêts de salaire. Pour redémarrer le travail au niveau des services de la ville de Niamey, nous avons demandé au moins de nous faire trois mois de salaire d'emblée. Malheureusement, le premier ministre en rétrocamp nous a fait savoir que ce sera très difficile compte tenu de la situation actuelle du Trésor c'est Ce qui nous conseille, les maires et les syndicalistes, d'aller créer un climat de confiance entre nous et de voir au niveau de nos recettes propres comment faire pour améliorer les recettes afin de pouvoir payer les salaires. Donc, on y a exprimé qu'un comité de mobilisation a été mis en place. Il y a de cela plus de deux mois, mais jusqu'à présent, nous, on n'a pas vu les résultats. Parce qu'à chaque fois, quand nous demandons au maire, président du conseil de ville, de faire des épargnes afin de pouvoir payer les salaires, il nous dit qu'il a trop d'investissements à faire. Par rapport à cela, le premier ministre lui a dit que non, il n'a qu'à un peu soulever le pied sur la pédale des investissements. Ayouba Haruna Korombe, coordinateur des sections centractaines de la ville de Niamey. Alors, euh, Murtala Mahmoudou, vous venez de le suivre. Un commentaire d'abord sur euh, le point de ces négociations. Sur le point de ces négociations, d'abord, je, voudrais dire euh, que moi, je suis étonné, étonné de voir que ces, travailleurs, quand même, ont pu, euh, avec le, contexte actuel, endurer ces, calvaires. Et il faut le dire que c'est quelque chose d'assez difficile pour ces travailleurs d'avoir travaillé pendant sept mois sans percevoir leur salaire. et aujourd'hui, qu'ils se retrouvent dans une situation où euh, euh, ils ont un chef de, service, à, l'occurrence le, président du conseil de ville et qui aujourd'hui était dans une situation où avait accordé une priorité euh, aux investissements plutôt qu'au paiement des salaires de ses agents. Euh, moi, je trouve cela assez euh, irresponsable. Je, l'ai dit, je, ne m'en cache pas. Mais aujourd'hui, que peut-être la question a été exposée devant le Premier ministre, que le Premier ministre lui-même a reconnu que c'est quelque part, une responsabilité de son gouvernement parce que euh, les salaires, selon l'exposé du, maire président de, du conseil de ville de les salaires étaient payés sur des fonds rétrocédés par le gouvernement euh, qui était disponible au niveau du trésor et qui ne sont plus disponibles euh, par les temps qui passent, qui courent. Et donc, il y a une part de responsabilité partagée, d'une part du conseil de ville de Niamey et d'autre part du gouvernement de la République lui-même, et qui n'arrivait plus à pouvoir faire cette résolution parce qu'il s'agit quand même des ressources de la ville de Niamey. Et de l'autre côté, on, fait, a un, maire qui, préfère euh, réaliser des investissements parce que ce sont ces investissements euh, qu'il va peut-être brandir comme bilan, je ne sais pas, et, laisser, laisser un, rogne des travailleurs qui continue à se décarcasser, à se, démêler pour faire fonctionner ces services, mais pourtant, et qu'il ne juge pas utile de payer. Et là, c'est une situation véritablement euh, déplorable, mais peut-être, euh, j'espère qu'après la consigne du PM, parce qu'il s'agit d'une consigne, à mon avis, qu'il va lever les pieds sur ces investissements et pouvoir les mettre dans leurs droits. À Bogana, euh, responsabilité partagée, c'est l'homme Mortala, responsabilité partagée entre d'une part le gouvernement et de l'autre part, euh, la ville de Niamey, les, autorités de la ville de Niamey, notamment le maire central. Je note déjà une, chose euh, positive, c'est le fait que euh, le Premier ministre s'en implique. Je pense que c'est déjà une très belle chose parce que sept mois d'arrivée de salaire, c'est plus de 200 jours. C'est là, c'est un fait. Le fait qu'à un niveau aussi élevé, que les autorités s'en impliquent, c'est une belle chose. J'en ai discuté et interviewé quelques-uns dans le cadre de mon travail, à moins que vous n'ayez une pierre à la place du cœur, vous allez souffrir le martyr quand vous allez discuter avec ses, pères et mères de famille. Il y a tellement de l'émotion parce que c'est existentiel. Et donc, je m'étonne qu'on puisse prioriser l'investissement au, au, à, à lieu et place de l'humain. Parce que pour se réussir, je pense qu'il faut investir dans l'humain. Quand les ressources je vous fais pas un cours en gestion des ressources humaines, mais quand le personnel a le moral, il est motivé, les résultats sont plus euh, faciles et plus probants. Et donc, je pense qu'il va falloir euh, continuer à discuter entre eux, parce que j'ai remarqué effectivement, après euh, mes investigations, qu'il y a une, une, y a le dialogue et il a, qu'on une panne, en fait, entre eux. Parce entre que, qui et entre les syndicats, notamment le personnel de la mairie et les autorités de la ville de Niamey. Parce que l'un d'entre eux, euh, ces syndicalistes, euh, nous a confié que, par exemple, il faisait un sitting récemment et quand l'une des autorités de la ville de Niamey, je vais taire le nom, passait et dit mais vous avez dit de que vous allez marcher, il faut continuer à marcher. Et je pense qu'il faut instaurer un vrai dialogue, comme le Premier ministre les a renvoyés en fait pour aller régler ça dans leurs locaux et donc à leur niveau. Je pense qu'il faut prioriser le dialogue et c'est ça qui va permettre de solutionner euh, cette situation. Garé Amadou, c'est votre avis Prioriser hmm, le dialogue Je, je suis d'accord avec, euh, avec. Vous savez, c'est un scandale la situation que vivent les, les travailleurs de la communauté urbaine. Sept mois d'arrêt de salaire. Mais comment voulez-vous empêcher aux gens de crier qu'il y a la précarité, qu'ils sont dans le besoin, alors qu'on sait très bien que les travailleurs de la communauté urbaine font sept mois. Mais comment peut-on survivre avec sept mois d'arrêt Vous vous rendez compte mais la question que l'on se pose, mais comment vivent-ils C'est ça la question. Et j'ai été déçu par les propos du Premier ministre. Il dit non, euh, on lui dit non, euh, au niveau du trésor, il on ne peut pas, les, sous dont il devait disposer pour payer les salaires, il, faut qu'on le remette à leur disposition. Il dit non, ce n'est pas possible, la, situation financière actuelle ne peut pas. Ah donc si je comprends bien, on peut se mobiliser pour payer les fonctionnaires, n'est-ce pas On peut se mobiliser pour payer les, arrêts arrêts contractuels, mais le travail de la communauté urbaine de Niamey considère comme du rien du tout, n'est-ce pas, pour, ne pas employer l'autre terme, eux, on ne peut pas se mobiliser pour eux pour pouvoir, les, les payer trois mois de salaire. Mais attends, on dit qu'on met en place un comité pour la mobilisation des ressources. Mais ces gens-là ont faim. Mais ils ont faim, messieurs là. Ils ont faim, ils n'ont rien. Mais comment pouvez-vous leur dire non, il faut, il faut continuer à, dialoguer, à faire. Non, ça vraiment, je trouve que c'est un scandale. Et j'ai été extrêmement déçu par les propos du Premier ministre. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que cette question-là, n'est-ce pas Puisqu'elle arrive à, un point où euh, euh, euh, les, arrêts s'accumulent, les travailleurs sont dans une misère totale. Il faut le dire. Misère totale, je vous assure. Alors, cette misère, quelles conséquences sur, notamment, vous avez posé la question de savoir comment vivent-ils mais, mais, je vous dis, c'est la misère. Abagana ah, vous l'a, vous l'a dit. Si vous les interrogez, mais vous avez envie de pleurer. Moi, je ne peux pas vivre avec trois mois d'arrêt de salaire. Mais imaginez le courage de ces gens-là qui ont 7 mois et qui rencontrent le Premier ministre, qui disent que non, il y a un fonds qu'on met à leur disposition parce qu'ils font des recettes, ils versent dans un fonds commun, dans un, comment on appelle ça, là, comment ils appellent ça, euh, euh sais pas, compte commun ou compte unique. Ils mettent, et à la fin du mois, normalement, on leur donne ces fonds-là pour payer. Le Premier ministre leur dit non, non, ces fonds-là, vous ne pouvez pas, à l'état actuel de la situation économique, vous voyez le scandale, Des gens qui ont fait, on leur dit non, la, situation actuelle ne permet pas qu'on puisse vous donner trois, ils demandent trois mois sur sept. Alors, à, votre avis, quelle solution immédiate Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire Il ne faut pas chercher, vraiment. Il ne faut pas chercher des solutions de oui, mettez en place un comité, on va discuter, vous allez échanger avec. Il ne faut pas chercher à fuir le débat. Qu'est-ce qu'il faut faire Le Trésor national doit mettre de l'argent pour qu'on puisse leur payer les trois mois sur sept qu'ils exigent. Point très. Mais le trésor n'est pas sec puisqu'on paye tous les, tous les, tous les agents de l'État. On paye les fonctionnaires, les contracteurs qui ont des arrêts de salaire. On s'est arrangé pour pouvoir les payer. On Mais pourquoi les arrêts de la communauté urbaine Mais Moi, je, vous dis, je suis, je suis, je suis horrifié quand j'entends ça. Abogana, une solution dans l'immédiat, à, votre avis En fait, moi, je, je, je suis euh, de ceux qui pensent que, puisque le problème, il est à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne peut pas les payer sept mois. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Un mois, ça ne fait pas l'affaire. On les a aussi proposé euh, des parcelles. Ils ont rejeté. Comment est-ce que quelqu'un qui cherche à manger pour faire bouillir la marmite, tu lui donnes un terrain derrière la ville de Niamey Je pense que c'est une provocation. C'est une provocation délibérée. On les, a proposé, La mairie les a proposé des parcelles vers le, site des enseignants-chercheurs sur une colline à l'extérieur de la ville de Niamey. Actuellement, si vous partez sur les réseaux sociaux et les, certains sites, je vends et j'achète, vous allez voir les gens sont en train de vendre leurs parcelles. Parce que les parcelles, là, ça, je suis désolé, ça ne ça, se transforme pas en condiment. Et donc, ces gens-là, ils sont clochardisés. Ils demandent, c'est des questions existentielles. J'ai suivi une qui disait eux, ils demandent au président de la République, qui est leur papa, de s'impliquer. Je pense qu'il faut aussi envisager cette solution. Mais c'est tout. Murtala, une solution dans l'immédiat serait une solution de l'immédiat, moi, de mon point de vue, c'est de, de, mettre le paiement de ces salaires euh, à, tête des priorités, euh, non seulement, pas seulement de la ville d'Inamé, mais du gouvernement tout entier, parce que euh, il s'agit quand ces gens-là réclament, demandent quoi Ils demandent trois mois, et de mon point de vue, avec trois mois, ils ne vont pas s'en sortir parce que se retrouvent avec au moins six mois, cinq mois d'impayés des loyers. Quand vous leur remettez trois mois, automatiquement tout cela, c'est, ça va s'engouffrer parce que le, le, trou est tellement énorme que c'est véritablement un fossé et ils ne vont pas se retrouver dans une situation où ils pourraient même continuer à travailler. Donc, de l'immédiat, la solution, de mon point de vue, c'est de, de, mettre, euh, de, prendre cela comme étant une priorité nationale et de pouvoir éponger ne serait-ce que 5 à 6 mois sur cela, peut-être qui va leur permettre de pouvoir euh, se remettre au travail. En fait, ils ont été, assez, cléments avec l'État. ils demandent 3 mois puisque c'est ce qu'ils demandent. Moi, je pense que cinq mois, c'est l'idéal. Mais puisque eux, ils demandent trois mois, je pense que trois mois, c'est pas impossible pour un État. On va me dire que l'État du Niger ne peut pas payer des agents des municipalités qui ont trois mois, derrière de salaire. Et vous voulez empêcher aux gens de dire que non, euh, il n'y a pas l'argent dans le pays. Comment voulez-vous empêcher aux gens de parler Donc, quand même, alors, les, agents de la mairie ne sont pas seuls. Je le disais tout à l'heure en, début de ce forum, les enseignants-chercheurs de l'Université des Zender observent également depuis lundi une grève illimitée, bloquant ainsi toute activité académique à l'université. Ils revendiquent eux aussi des arriérés de salaire, mais cette fois-ci de trois allant de trois à quatre mois. Et leur mot d'ordre, disent-ils, va se poursuivre jusqu'à satisfaction. Les médecins spécialistes aussi, euh, la en euh, <laughs> question également, et sont, elles étaient aussi en grève du lundi à ce jour euh, vendredi. Alors, comment venir à bout de tous ces mots euh, qui a ces secteurs sociaux Je m'en vais vers vous, Gary Amadou du journal L'événement. Je pense que la meilleure, solution, c'est d'abord le dialogue, mais et surtout que c'est l'État qui doit prendre toutes ses responsabilités. Parce que c'est l'État qui doit mettre tous les travailleurs dans les meilleures conditions pour travailler. Et lundi, quand le travail est dans de bonnes conditions, il produit mieux. Donc, si les gens revendiquent, moi, je considère que même un mois d'arrêt de salaire, c'est un scandale. Je considère, hein, même un mois d'arrêt, c'est un scandale pour un père de famille. Donc, mais alors, trois mois, quatre mois, on a parlé de sept mois pour les agents de la communauté urbaine. là, c'est vraiment le sommet des sommets. Mais là, mais je pense que toutes les revendications se valent. L'essentiel, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités et ne pas voir dans chaque revendication des, les trucs politiques. Qui, c'est pas ça qui va régler le problème. Dans chaque revendication, il y a des problèmes qui ont été bien posés. L'État les prend, les analyse et il voit les solutions qu'il peut apporter. Parce que ce qui est important, c'est que quand quelqu'un est, est, frustré et que quelqu'un est énervé, c'est à toi de le calmer, toi qui le payes, toi l'employeur. Et l'État doit calmer ceux qui sont en, en, en, en train de, de, faire des mouvements. Et comment il peut le calmer C'est en leur faisant des propositions. Et des propositions qui peuvent être rapidement concrétisées par du matériel. C'est ça le plus important. Mais vouloir, vouloir faire du, Parce que vous allez entendre, les gens vont commencer à dire Ah oui, tel syndicat, il manipule pas les hommes politiques de l'opposition. C'est pas ça qui règle le problème. Parce que eh, eh, eh, des problèmes ont été posés. Il faut que l'État s'assume pour pouvoir les régler. Point. Abogana je, pense que c'est une situation inédite. Les mouvements dans, Tout à dans, plusieurs beaucoup de secteurs. Comment est-ce que vous allez faire le pari solutionner ces, problèmes C'est un pari difficile. serait-ce qu'en partie C'est un pari difficile. Ce pari, c'est celui de vouloir gouverner et donc euh, gérer l'État et ne pas prendre en compte des questions aussi élémentaires. Comment est-ce que des enseignants-chercheurs, des médecins spécialistes, ou même des agents de mairie, je pense que ça donne une mauvaise image de notre pays. Moi, ce débat, je trouve que c'est un débat de caniveau, qu'on puisse même le faire sortir jusqu'à au point qu'on dise qu'on ne paye pas les gens. Parce que c'est tellement évident que quand vous avez un vigile, à la fin du mois, vous le payez. Quand vous prenez des gens, des gens qui font Ganoma, vous connaissez Ganoma là, quand ils travaillent à la fin de journée, quand le soleil sera au crépuscule, vous allez aussi les payer. Mais quand, quand l'État quand, parle de, de, de, crise de finances, les caisses sont vides. Oui, tout à fait. on l'explique que, que c'est au niveau international, les Vous cours croyez de matières pas premières ont chuté. Écoutez, moi je suis rationnel, je ne peux pas, on ne peut pas aujourd'hui être dans, un, dans une partie du monde et ne pas euh, ressentir les contre-coups de ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, une décision qui est prise en Chine ou par le FMI ou même par Trump peut avoir des, des conséquences et des incidences sur l'économie de certains pays. Alors justement, est-ce que le Niger n'est pas en train de subir les conséquences euh, des décisions C'est trop facile de le dire parce que le baril, le plan le baril la nous, les productions faites par le Niger n'ont jamais connu un recul. C'est toujours au même prix que cela est fait. Et donc, je pense qu'il faut trouver d'autres arguments. Il faut que les gens soient sérieux. Qu'on peut organiser des marches et puis mettre de l'argent dans les bus et faire tout un folklore alors qu'on ne paye pas les gens. Je pense qu'il faut arrêter. Et donc, il est évident que les gens ne vont pas atteindre les résultats qu'ils veulent. Parce que les anciens chercheurs les, médecins spécialistes, c'est quand vous partez véritablement à l'hôpital, vous allez sentir que euh, le besoin, il est terrible. Parce qu'il y a des consultations aujourd'hui, si vous avez un patient, je vous assure, même dans le privé, ils ne travaillent pas, ces, ces, médecins spécialistes. Même dans le public, même dans le privé, quand ils sont en grève, ils ne consultent pas. Moi, j'ai eu un frère qui a eu un traumatisme crânien. On est parti à Magori on a dit c'est un spécialiste, il ne travaille pas aujourd'hui parce qu'il est en grève. Et donc je pense qu'il faut régler ça. Quoi. Et ce n'est pas vous qui allez régler ça ou nous autres, mais diriger, c'est aussi prévoir. Murtala euh, je pense que euh, aujourd'hui c'est relativement trop facile de mon point de vue que de se cacher derrière quelques tensions de trésorerie euh, pour justifier ou expliquer la situation qui, prévaut entre des arriérés de, salaire des agents d'une municipalité telle que la ville de Niamey et de l'autre côté des arriérés de salaire de, l'université de au niveau de l'université de Zander, euh, la sempiternelle question des, des, médecins spécialistes qui sont dans des revendications depuis trois ans euh, là Alors, vous voyez, je pense que si de l'autre côté, au niveau des agents de la municipalité et de, ceux de, l'université du Gendarme, on est dans la question quand même de, l'existentiel. là, c'est quand même euh, quelque chose du quotidien. Quelque chose, quand il fait défaut, c'est la dignité même qui est, atteinte. Donc, vous voyez, euh, on ne peut pas se cacher derrière euh, cette question de tension de trésorerie pour expliquer que l'État accepte ou bien cautionne que certains de ses citoyens se mettent dans, des situations où leur dignité même est atteinte. Alors que de l'autre côté, euh, il y a quand même des dépenses qui ne sont pas obligatoires, alors que quand on dit, oui, des dépenses qui ne sont pas obligatoires. Prenez-moi un peu toutes ces toutes ces faramineuses euh, sommes qui sont éjectées euh, dans le terme de, primes, de, fonds politiques, etc. C'est des choses sur qu'on peut mettre en stand-by et sur lesquelles on peut revenir. Mais euh, pour donner vraiment cours à des dépenses qui sont prioritaires, de mon point de vue, qui sont prioritaires. Mais euh, euh, vraiment, c'est un argument trop facile pour moi que de dire il y a tension des trésoreries, on ne peut pas payer des salaires des, des, des pères, de mères de familles et qui ont euh, à, charge plusieurs, parfois plusieurs enfants. Et c'est véritablement euh, à la limite euh, dégueulasse. Garé, vous voulez réagir Oui, on parle de tension, mais le Niger n'est pas le seul pays à avoir des tensions de trésorerie. Et pourquoi c'est le Niger seulement le Niger que les travailleurs ont pratiquement, on a l'impression qu'ils ont le plus de problèmes. Donc c'est pas, pas l'argument qu'il faut apposer. Les gens n'ont pas dit de le régler tous leurs problèmes. Ceux qui ont quatre mois, ils demandent, faites-leur des propositions intéressantes. Dites-leur que vous allez le de moi. Mais ils vont se satisfaire avec ça en attendant. Ceux qui ont cette main, faites-leur des propositions intéressantes. C'est tout ce qu'on vous demande. On n'a pas dit qu'il faut régler tous les problèmes. Donc ne vous cachez pas derrière le, truc de la, la, question internationale, la situation économique internationale, pour ne pas régler le problème. Alors nous allons, nous allons revenir sur la vague d'interpellations qui a lieu donc cette semaine au niveau de la police judiciaire. Des interpellations qui ont été effectuées sur requête du procureur de la République et qui concernent plusieurs personnalités aussi bien politiques et certains opérateurs économiques. Leurs noms sont cités dans plusieurs affaires de malversation financière, dans la gestion aussi des services institutions tels que l'Office des produits vivriers du Niger, OPVN, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, CAIMA, et le ministère du Plan, entre autres. Selon plusieurs sources, beaucoup d'entre ces personnes interpellées ont déjà payé les sommes qui leur sont reprochées. Cela tombe à Ponomi. Euh, d'après vous, euh, euh Abagana, le one. C'est la euh, tombe à pont nommée pour les caisses de l'État. Après, après enquête, il n'y a pas, dans la première liste des personnes concernées, il n'y a pas celui qui, a en dessous de 50 millions à payer. C'est au-delà. Au-delà. de la première vague, bien que chaque, chaque jour, chaque semaine, il y a aussi d'autres interpellations. Il y a eu d'abord une inspection. Le rapport des inspecteurs a été transmis au, procureur, au ministère public, qui a enjoint donc la police judiciaire à écouter, à auditionner ces personnes parce qu'il ne faut pas aller trop vite en besoin. Ce sont des personnes qui bénéficient quand même de la présomption jusqu'à ce que euh, cette situation soit réglée. Mais je trouve que ça tombe à pic si on peut euh, presser des margoulins pour lever, euh, j'ai envie de dire, il faut les prendre en haut et puis euh, les faire tomber jusqu'au dernier copec, peut-être pour enflouer les caisses de l'État. Je ne sais pas si c'est une solution provisoire, mais je trouve que c'est une très belle chose. On n'a pas l'habitude quand ça commence, ça s'arrête parfois en si bon chemin. C'est pourquoi, quand on commence l'opération euh, même propre, on en a vécu sous plusieurs régimes, la plupart, euh, dans l'opinion, ça fait jaser où les gens sont sceptiques ou en tout cas, il lève le chapeau, mais sans totalement le décoller de la tête. Je trouve que c'est une très belle chose, mais il faut que ceux qui l'ont initié puissent aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous allez vous appelez jusqu'au bout Jusqu'au bout, ça veut dire que la chicotte là, qu'elle soit solide, qu'elle ne se casse pas, qu'elle soit induite par exemple de l'huile, et qu'elle puisse frapper indistinctement. Tout à fait. Garé Amadou du joint l'événement, qu'est-ce que est-ce que vous pensez que dans ce contexte euh, euh, financièrement morose, est-ce que ces, interpellations pour faire payer à des gens euh, des sommes qu'ils auraient dérobées à, à un temps ou à un autre oui, c'est extrêmement important. D'abord, c'est même la première chose, c'est que c'est pédagogique. Tous ceux qui sont aux, affaires, qui ont l'intention de, mettre, de faire même base sur certains fonds, <laughs> ils vont retirer, ils retirer la main, n'est-ce pas Ceux qui sont déjà dans un, à un stade où ils n'ont qu'à mettre la main pour cueillir l'argent, ah, ils vont retirer leur main. Là, c'est déjà euh, pédagogique. En plus, si les gens sont en train de restituer des fonds, déjà, moi je pense que bon, euh, euh, la solution, les gens disent oui, bon, déjà quand la personne ramène, on laisse tomber je ne suis pas complètement d'accord avec cette situation parce que pour moi, si un voleur a pris quelque chose, si on lui arrache cette chose-là, il reste toujours voleur. Donc il faut quand même que les pénalités tombent. Il faut que les gens sachent que non, c'est pas comme ça que cela va se passer. Il ne s'agit pas de prendre de l'argent de l'État et puis dès qu'on fait un peu de bruit, vous remettez et puis c'est terminé. Non, non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ce que si vous prenez, non seulement vous allez remettre, mais vous allez faire de la prison pour que celui qui a l'intention dans les prochains jours, dans les prochains années, de faire la même chose puisse réfléchir à deux fois. Et maintenant, le Niger a besoin de l'argent. Enfin, il, a, déjà besoin de l'argent. Donc, ces fonds-là qui sont en train de revenir, c'est une bonne chose. Mais bon, euh, euh, euh, j'espère que, comme il l'a dit, la chicote sera multidirectionnelle. Qu'est-ce qu'on appelle multidirectionnelle C'est-à-dire qu'il faut que tous ceux qui sont sous impliqués, notamment des gros bonnets du régime, n'est-ce pas, que la personnalité soit proche de l'opposition, qu'elle soit proche du régime, que la même chicote puisse les frapper. Et donc, maintenant, on attend de voir ça commencer. Il ne faut pas que ça s'arrête, comme l'a dit Abagana. Il faut que ça continue, n'est-ce pas Déjà, les Nigériens sont extrêmement contents de voir que l'opération Meboula est en train de, pour la première fois, d'apporter des signes concrets. Maintenant, on espère que ça va durer. Il ne faut pas que ça s'estompe comme euh, neige au soleil, comme on dit. Euh, Murtala Mohamedou, c'est votre point de vue mm. également Bien, euh, que les gens se mettent à ramener de l'argent dans les caisses de l'État, ça ne peut que me réjouir. Mais est-ce qu'il suffit de ramener de l'argent Aller répondre de sa responsabilité pénale, aller donc en prison purger sa peine. Mais aussi, je pense qu'il faut peut-être, euh, euh, pour que ça soit plus pédagogique, qu'on institue peut-être une autre norme qui va euh, faire en sorte que, que soit également reversé à l'État même les fruits de ce que vous avez dérobé. Vous avez aujourd'hui dérobé, par exemple, 50 millions, vous les investissez, vous ramenez 5 ans après 50 millions, alors ça produit 10 ou 15 millions. Il faut aussi que cela soit repris. Alors que, bien, quant à différents quant aux différentes opérations qu'on a connues dans ce pays pour même propre, Boulala, etc. En fait, euh, Abba disait que les Nigériens levaient le chapeau sans pour autant le, le, retirer de, la tête. Oui, parce que euh, les Nigériens ont été témoins à plusieurs occasions de, ces opérations qui ont été annoncées et qui sont d'ailleurs annoncées en grande pompe, mais qui, et de leur mise en œuvre, restent quand même sélectives et parfois ne touchent que euh, des petits pions alors que les véritables euh, détourneurs ou les véritables, euh, euh, disons, excusez-moi l'expression, voleurs sont, restent à l'abri. Donc, il faut peut-être que cette fois-ci, peut-être on a cette chance. À chaque fois que c'est évoqué, et des gens comme nous l'ont dit, il faut que ça aille jusqu'au bout, il faut qu'il n'y ait pas de sélection, que à, la fin, euh, euh, bien que ça continue sans fin carrément parce que à chaque fois il y a euh, en même temps qu'on est en train de prendre d'autres délinquants il y a d'autres délinquants qui sont en train de, de, procéder de la même façon sinon pire donc que ce soit quelque chose de continu, qu'il n'y ait pas de, de, sélection selon que vous soyez d'un tel ou de tel bord politique. cette raison cette opération même propre, moi, je trouve à ce stade, par exemple, légitime qu'on puisse organiser une marche citoyenne pour soutenir le président de la République. Ça, c'est un intérêt général, mais pas pour des questions de positionnement. 18 heures passées de 52 minutes presque, nous observons une courte pause. Alors, nous poursuivons ce forum euh, que nous entamons, la dernière partie. Parlons à présent des sécurités. Vous le savez, le palais des congrès de Niamey a abrité le mardi dernier, le mardi 24 janvier dernier, les travaux de la deuxième conférence euh, des chefs d'État de l'autorité du développement intégré de la région du Liptako-Gourma alg On prépare à cette rencontre le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et le premier ministre malien Modibo Keta qui représentait le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Une rencontre élargie également au ministère des Affaires étrangères et ceux de la défense des pays membres de l'autorité du Liptako Gourma. Après signature par les différents chefs d'État du traité révisé de l'ALG qui consacre l'élargissement de l'autorité à l'ensemble des territoires des pays membres de cette organisation régionale, un communiqué final a été rendu public. Et il ressort, euh, entre autres, de, la, de ce communiqué euh, la mutualisation des efforts donc, de ces pays membres de l'ALG pour la sécurisation de leurs pays respectifs, la conférence a décidé à la fin de la création d'une force mixte de sécurisation du Liptako Gourma qu'ils ont appelée FMSLG. Alors, Garé Amadou, quelle analyse vous inspire euh, la création de cette euh, nouvelle force moi, je pense que c'est toujours intéressant quand des pays peuvent réunir leurs forces pour essayer de lutter contre un fléau. Vous savez, la zone du Bitako Gourmand, c'est une zone qui est devenue extrêmement dangereuse pour les travailleurs de tous les pays du Mali, du Niger et du Burkina. Pour les travailleurs nigériens, traverser la frontière du Burkina en bus, c'est toujours avoir la main sur le cœur. Parce que des attaques ont eu lieu. Il y a des bandits armés, il y a des djihadistes qui font. Il y a du tout. Et c'est une zone d'extrême danger et qui n'est pas euh, totalement quadrillé par les forces des trois pays. Mais la mutualisation des forces va permettre de mener des opérations conjointes qui vont permettre de mettre hors d'état de nuire tous ces bandits ou tous ces djihadistes qui sont en train de menacer les pays qui sont concernés. C'est une très bonne chose parce que déjà il y a une force multinationale au niveau de la lutte contre Boko Haram. Il y a l'opération Barkhane qui est plutôt localisée au niveau de la région d'Agadez. Ce serait bon qu'on ait une autre force n'est-ce pas, qui cette fois-ci au niveau la, entre, entre, le Niger, le Mali et le Burkina, pour pouvoir lutter contre le banditisme qui, qui est en train de, vraiment... Euh, Il y a également le G5 Sahel oui, le G5 Sahel, c'est plutôt une structure plutôt euh, euh, organisationnelle. C'est-à-dire que ça aussi, c'est extrêmement important parce que là, elle est même plus étendue parce que la G5 Sahel, il y a même des pays du, Maghreb dedans. Et aujourd'hui, on ne parle même pas du G5 parce qu'on parle d'autres pays observateurs qui sont sous la voie d'être des pays membres du G5. Donc le G5 va certainement s'élargir à plus de 5 et beaucoup de pays seront concernés. C'est toujours bon de pouvoir coordonner. Chacune a sa spécificité. Vous avez la force multinationale qui est au niveau de, de l'IFA qui, mène des opérations dans, la région de Difa et au Nigeria, vous avez celle-là, l'Ipsako Gourma, Niger, Mali, Burkina, au niveau de la frontière que le partage ces pays, et puis vous avez l'opération, le G5 Sahel qui réfléchit plutôt concernant la, sécurité dans la sous-région. C'est extrêmement important. Abogana Lawal ça veut dire qu'aujourd'hui que la question sécuritaire, ça n'épargne aucune partie euh, de nos États. Et ça veut dire aussi l'autre euh, observation que je fais, c'est que euh, les États peuvent encore se faire confiance mettre en place des forces ensemble, des forces régionales avec des capacités opérationnelles importantes pour essayer de contrer le mal. Et donc, je pense que c'est une très belle chose puisque dans ces zones-là, effectivement, il y a des bandits de grands chemins qui pullulent et qui foisonnent et souvent impunément. Vous voyez, par exemple, la zone Niger, euh, du côté Mali, notamment vers Tilaberi régulièrement, ces zones-là, on parle, il y a des incursions de bandits qui viennent voler des peules, tuer et, faire des meurtres et puis s'en tirer à bon compte. Récemment, vers Ayerou, on a aussi, euh, du côté Niger, plusieurs cas d'agression, de meurtres ont été aussi euh, rapportés et les gens arrivent à se cacher vers la frontière du Burkina. Je pense que ça tombe à point nommé et ça ne peut Comment rendre euh, efficace, à votre avis, cette force et figure-toi, à Alassane, je ne suis pas un général, mais je sais que je ne suis pas aussi un tacticien, mais je sais seulement que c'est une très belle chose et nous, nous allons l'encourager. Murtala Mamadou, Bien, euh, je ne reviendrai pas euh, euh, sur, tout ce que viennent de dire les confrères sur l'utilité, l'importance, tout ça. Mais moi, je, m'inquiète sur l'opérationnalisation de cette force, peut-être qui risque de rester une force théorique, parce que arrimée au, groupe G5 Sahel, et le groupe G5 Sahel, je crois que cette force, si on ne fait, on prend garde, risque de se noyer dans ce G5, et donc se dévier de sa mission première, qui est celle d'assurer euh, la sécurité, en mutualisation l'effort en mutualisant les forces autant pour moi euh, dans la zone du Leptako Gourma et qui est quand même une zone assez sensible, on l'a vu, euh, les, attentats dans le pays du Burkina, à Ouagadougou, les incursions et attaques au niveau de, Niamey et d'autres localités avoisinantes du Niger, puis ce que vient de citer à des, des, des flagrants cas de vol de part et d'autre des frontières du Mali, du Niger, etc. Et tous ces bandits de de, grands chemins qui arrivent à trouver des refuges juste parce qu'ils traversent des frontières. Oui, cette force est opportune, mais attention, il ne faut pas qu'elle reste euh, purement théorique. C'est votre avis, Garé c'est mon avis. Et puis, il faut bien comprendre que le G5 Sahel, c'est plutôt un, groupe de réflexion pour essayer de lutter contre l'insécurité à travers des actions de développement, n'est-ce pas Bon, si déjà cette force multinationale peut essayer, n'est-ce pas, de sécuriser cette zone-là, je pense que ce ne sont pas les travailleurs de différents pays qui traversent la frontière ou qui vivent au niveau de ces villages-là. Lui, il a parlé des éleveurs peuls qui sont régulièrement tués les bétails sont transportés, sont, arrachés, amenés dans un, dans un, territoire. Vraiment, je pense que cette force-là va être utile. Il reste seulement à la concrétiser, comme il l'a dit. Il ne faut pas qu'elle reste sur le papier. Un dernier mot à Bagana Tout à fait. L'important, ici, on l'a vu en Afghanistan, quels qu'en soient les moyens que vous allez mettre, les drones et les missiles que vous allez amener, si la population ne coopère pas, vous allez échouer. Et donc, les bandits qui pullulent qui foisonnent dans ces zones, qui circulent, c'est qu'il faut que les populations apportent leurs contributions pour les mettre hors d'état de nuit. Et donc, l'aspect sensibilisation doit être pris en compte dans cette euh, force mixte. Auditeurs, auditrices du studio Kalangou, nous sommes à la fin du forum de ce soir. Je le disais, nous étions avec les confrères Gary Amadou du journal L'événement, Murtala Mamadou, journaliste au journal La Griffe, et Abagana Lawal du journal L'actualité. Merci à tous euh, d'être venus. Au revoir, bonsoir.